le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou Fidèles auditeurs et auditrices, euh, bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous journalier, le forum du studio Kalangu. Les programmes de studio Kalangu sont diffusés chaque jour en direct de Niamey par un réseau dynamique de 34 radios partenaires présentes dans toutes les huit régions du pays, mais également disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangu, notre site internet www.studiokalangu.org et sur WhatsApp. Heureux de vous retrouver pour cette émission radiophonique qui a pour thème euh, aujourd'hui fonctionnement de la justice au Niger, rôle du magistrat, ses rapports avec les citoyens et les autres pouvoirs. Appartenant au corps judiciaire, le magistrat a une considération sociale spécifique et parfois redoutable par euh, les citoyens du fait que c'est à lui que la loi donne la prérogative de rendre la justice ou de requérir l'application de la loi au nom de l'État, selon qu'il soit un magistrat assis ou debout. Quel est donc le rôle véritable d'un magistrat et sa fonction au sein de la société Quelle est la différence entre un juge et un magistrat quels sont les différents types de magistrats qui travaillent au niveau des institutions judiciaires d'une république Quel est le rapport existant entre les magistrats et les forces de l'ordre dans le cadre de l'accomplissement des missions rogatoires, par exemple quel est le rapport entre le pouvoir incarné par les magistrats et les autres pouvoirs de la République, pouvoir législatif et exécutif Qu'est-ce qui fait l'indépendance de la justice et comment peut-on se rendre compte de son absence Que signifie la motivation d'une décision de justice il arrive que des avocats ou des citoyens dénoncent des procureurs aux ordres, entre guillemets, ou des juges aux ordres, alors que ces critiques sont souvent considérées comme étant un jet de discrédit sur la justice et dans certaines conditions passibles même de sanctions pénales. De quels moyens dispose le citoyen quand il se retrouve dans des cas pareils L'article 117 de la Constitution du 25 novembre 2010 stipule que la justice est rendue sur le territoire national au nom du peuple. Comment expliquer alors le fait que le peuple a parfois des doutes sur la justice Quel peut être l'apport du magistrat dans le renforcement de l'état de droit et le respect de la jouissance des libertés de chaque citoyen tous les citoyens, y compris les décideurs, sont-ils réellement égaux devant la justice C'est à toutes ces questions que nous tenterons d'apporter des éléments de réponse avec notre invité, le magistrat Ayoub Hassan, ancien secrétaire général du syndicat autonome des magistrats du Niger, Saman, actuellement conseiller à la cour d'appel, c'est-à-dire magistrat assis. Ayoub Hassan, bonsoir. Bonsoir, monsieur. À la présentation, Michel Degier. Commençons par euh, la définition du mot magistrat. Monsieur le juge, expliquez-nous ce que c'est et comment devient-on magistrat au Niger. Merci bien. Donc, euh, le magistrat, justement, donc, c'est un fonctionnaire de l'État, c'est un agent public, donc, à qui la loi confère donc, le pouvoir de juger. Effectivement, le fonctionnaire, mais il n'est pas régi par le statut de la fonction publique. Donc il faut passer par l'école de la magistrature, donc après les études de, deuxième cycle, après la maîtrise en droit, donc euh, il faut faire le concours de la magistrature et passer donc euh, deux ans à l'école de magistrature et après être intégré. Donc voilà succinctement ce qu'on peut dire donc de celui qui a la qualité de magistrat. Mhm. Quelle est la différence entre un juge et un magistrat Bon, le juge, en fait, ça c'est le terme euh, commun à tous ceux qui ont justement la formation de magistrat dans le langage courant. Voyez-vous, mais au niveau purement juridique, donc de magistrat, tous ceux qui ont fait des cours de la magistrature, mais maintenant, dans les fonctions, il y a ceux qui jugent, qui sont des juges, ça veut dire qui rendent la justice, et les autres, justement, qui sont pas des juges, qui sont des procureurs ou des gens qui ont la formation de magistrat, mais qui sont dans les autres administrations. On va mm-hmm. continuer à, l'éducation de juges, mais ils n'exercent pas les fonctions de juge. Voilà. Donc il y a le langage courant qui dit bon, tout celui qui travaille là-dessus, c'est un juge. Donc ça, c'est le langage euh, ordinaire. Mm-hmm. mais sur le plan purement juridique, sur le magistrat, celui qui a la formation de, de, de magistrat. Nous allons voir ça d'ailleurs quand nous serons dans les détails. Quels sont les différents types de magistrats qui travaillent au niveau des institutions judiciaires euh, d'une république euh, monsieur le juge Bon, en fait, pour comprendre ces institutions juridiques, il faut d'abord essayer de faire la distinction. C'est quoi ces institutions juridictionnelles Parce que c'est ça, c'est des institutions juridictionnelles. D'abord, donc, il partir de notre organisation judiciaire qui dit que donc, euh, il y a la Cour de cassation, qui est la haute juridiction, il y a la Cour de, comptes, qui est la juridiction en matière donc, de finances publiques, il y a le Conseil d'État, qui est la haute juridiction en matière administrative, et la Cour constitutionnelle. Maintenant, au niveau de ces hautes juridictions, il y a aussi ce qu'on appelle justement les juridictions inférieures. Mm donc, les cours d'appel et aussi les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance. Donc, à tous ces niveaux-là, donc, il y a des juges qui les animent. Donc, tout ce beau monde-là, donc concourt donc à l'accomplissement de la fonction de juger. Donc mhm. voilà, donc c'est ça, c'est les institutions juridictionnelles qui rendent la justice dans notre pays. Au niveau d'un tribunal, on parle de magistrat assis et on parle également de magistrat debout. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que la magistrature debout et la magistrature assis Donc ça, c'est donc le, principe de base. Donc au niveau des tribunaux, il y a donc les magistrats debout, ça veut dire que le procureur se substitue, mm. ça veut dire qu'eux, ils sont nommés près le tribunal, donc, que les autres, c'est les magistrats du siège, donc c'est eux qui animent, c'est eux les, les, vrais juges qui rendent la justice. Donc, voyez-vous, donc c'est ça la, distinction. C'est vrai que nous, on a hérité donc de l'histoire coloniale française, mhm. voyez-vous, donc ce qui fait qu'on a continué à garder cela. Donc, mais dans la pratique, effectivement, il y a une distinction, comme les fonctions ne sont pas les mêmes, parce que le procureur, lui, il poursuit, mhm. voyez-vous, il ne juge pas. Donc, lui, il représente donc toute la société au niveau de la juridiction et les autres maîtres du siège. Donc, n'est pas le président du tribunal et les autres juges, les juges d'instruction et les juges de jugement et les juges de mineurs. Donc tout ce beau monde-là constitue donc la magistrature assise mm. qui rend véritablement la justice. Les autres, c'est le procureur et ses substituts qui donc euh, viennent au niveau des audiences correctionnelles pour requérir, demander l'application de la loi. Donc ils sont nommés après les juridictions. Donc, s'il faut parler de la magistrature debout, il faut parler du procureur quand c'est le tribunal, quand c'est la cour d'appel, le procureur général. Voilà, au niveau de la cour d'appel, c'est le procureur général mhm. et c'est substituts généraux au niveau donc de la cour. Ça, c'est la hiérarchisation. Voilà, c'est la hiérarchisation. Au niveau du ministère public. Voilà, donc mhm. il y a aussi ce qu'on appelle le procureur général au niveau de la cour de cassation et les avocats généraux. Mhm. Voyez-vous, donc c'est juste les noms qui changent, ils ont tous le rôle de parquetier. Voilà. Donc, ils ne jugent pas en tant que tels. Alors que les autres, c'est le juge de jugement, le président et les autres juges. Le procureur, par exemple, c'est un magistrat Debout, magistrat debout, Et on dit que c'est lui le représentant de la loi. Voilà, en fait, il représente la société. La société. Donc, mhm. lui, il, défend la, de la loi. Donc, il défend la société, c'est vraiment en quelque sorte l'avocat de la société auprès de juridiction. Mhm. Il, il, ne fait pas partie de la juridiction langage juridique. Mm-hmm. Il est nommé près le tribunal. C'est pourquoi on dit procureur général près, procureur de la, près le tribunal de grande instance, par exemple. Voyez-vous, il est nommé près pour représenter la société. Donc c'est ça son rôle. Pendant que les autres, et ils tranchent entre les parties. Par exemple, c'est en matière pénale. celui qui prend euh, un dossier correctionnel, le procureur qui vient à l'audience, il est parti au procès au même titre que celui qu'on juge. Mm-hmm. Pendant que toi, le juge, tu es l'arbitre. Chacun va présenter donc ce, c'est moins de défense et vous allez trancher. C'est d'ailleurs euh, le magistrat assis qui ne se lève jamais pendant un procès, alors que le procureur lui-même, quand il est présent, il est obligé de se lever. Voilà, bon, ça c'est aussi la, tradition, effectivement. <coughs> quand le procureur, donc, euh, on lui donne la parole aussi, au même titre que l'autre partie, mhm. pour qu'il vienne expliquer celui-là qu'on juge, là, qu'est-ce qu'on lui reproche Donnez-nous donc euh, pourquoi vous l'avez fait venir devant nous, quels sont vos éléments de preuve. En fait, un droit, vous allez démontrer que voilà, il a commis un vol, dans telle circonstances, voilà, et lui aussi va se défendre. Maintenant, c'est entre ces deux parties que toi, juge de jugement, vous allez trancher. Voilà. Nous avons au niveau de la magistrature euh, assise celui qu'on appelle également le juge d'instruction. C'est qui le juge d'instruction Oui, le, juge d'instruction, c'est d'abord un juge au siège. Donc, c'est un juge au siège, mais qui a une particularité. Donc, euh, donc tous les dossiers dont le procureur estime qu'ils sont complexes, qu'on ne peut pas juger sous le champ, ça veut dire qu'il faut faire des investigations complémentaires. Mhm. Donc, il y a un juge qui est là, donc pour qu'il puisse continuer les investigations que la police ou la gendarmerie a commencées. Mhm. Voyez-vous Ailleurs, dans nos systèmes, le juge d'instruction n'existe pas dans le système. Voyez-vous mhm. C'est le parquet qui fait ses investigations, il soumet au juge. Nous, on a hérité, voilà, le procureur, voilà, Le public. public. Nous, on a hérité du système colonial français. Donc, le juge d'instruction et là, donc, c'est lui qui continue les investigations parce que le dossier est complexe. Après les enquêtes bah, bah, préliminaires. voilà. Mm-hmm. par exemple, si c'est la loi dit que, par exemple, si c'est un crime, c'est une obligation pour le procureur d'envoyer le dossier sur le juge d'instruction parce qu'on ne peut pas juger un dossier criminel ah, comme en, flagrant délit, mm-hmm. voyez-vous, ou un dossier dans lequel un mineur est impliqué aussi pour protéger le mineur, il faut aussi que ça passe par le, juge de mineur, par exemple, qui joue le rôle de juge d'instruction. Donc, euh, c'est ça le rôle du juge d'instruction. Lui, il est instruit. Maintenant, quand il finit, effectivement, là, on met le dossier donc, dans le circuit de jugement en fonction donc, des résultats. Parce qu'il peut arriver que, justement, le juge d'instruction estime qu'il n'y a rien, donc il n'y a pas de charge. Donc, c'est ça, il fait un non-lieu. Ou, s'il estime qu'il y a des charges suffisantes, là, il renvoie. Si c'est correctionnel, on renvoie devant le tribunal correctionnel, il prend l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Ou bien, si c'est un crime, il fait ce qu'on appelle l'ordonnance de transmission des pièces. Il envoie le dossier au niveau du procureur général qui va saisir la chambre d'accusation, qui, va, qui est le second degré d'instruction au niveau de la cour d'appel, qui va essayer de vérifier la régularité, donc la procédure. Est-ce que le juge d'instruction a bien conduit son dossier Est-ce qu'il n'y a pas des éléments complémentaires à faire Ou est-ce qu'il n'y a pas des actes de nullité Parce que, bon, le code de procédure pénale pose quand même souvent des, euh, certains principes qu'il faut respecter, voyez-vous. Mm. Par exemple, si on, en première euh, comparaison, vous comparaissez pour la première fois devant un juge d'instruction, la loi dit que le juge, vous ne devez pas poser des questions à la personne. Vous allez juste lui dire, bon voilà, vous prenez son identité, vous dites que, bon, voilà, c'est pourquoi vous êtes devant moi. Bah, sans vous poser des questions, juste, par exemple, vous êtes accusé d'avoir volé tel, tel, tel, tel, tel. Voilà, est-ce que vous êtes prêt à parler ou pas à vous de le dire. Donc, c'est les principes généraux. Donc, le, la chambre d'accusation veille sur, ça pour voir effectivement si le juge d'instruction a respecté donc les prescriptions du code de procédure pénale. Donc c'est ça. Pour qu'un justiciable euh, soit envoyé en prison, soit incarcéré, il faut bien un mandat de dépôt. Qui signe ce mandat de dépôt Bon, en fonction donc de. Parce que d'abord, dans nos systèmes euh, judiciaires, le procureur peut signer un mandat quand il s'agit donc des affaires euh, de flagrant délit, si on veut juger euh, quelqu'un rapidement devant donc le tribunal de flagrant délit, la loi donc euh, donne le pouvoir au procureur de faire un mandat, bien que pour les défenseurs des droits de l'homme, cela fait débat parce que le procureur est parti au procès. Voyez-vous Donc certains défenseurs des droits de l'homme critiquent ce système-là que le procureur avec qui je vais passer un jugement des mandat de dépôt contre moi. Voyez-vous Mais c'est nos système jusqu'à présent pour toutes les affaires donc euh, inscrites pour le, jugement flagrant le procureur fait, le mandat. Mhm. Pour le, mais pour le reste, c'est le juge d'instruction. Par exemple, si c'est un dossier d'instruction, donc le juge, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une garantie de représentation. Parce que si le dossier est complexe, qui demande quand même des investigations complémentaires, il faut bien que vous soyez à sa disposition. Donc souvent, il n'a pas d'autre moyen que de vous garder. Mais il doit quand même souvent apprécier si vous avez des garanties de représentation. Parce que comme on dit, le principe quand même c'est la liberté. Donc la détention n'est qu'une exception. Voyez-vous, donc le juge d'instruction aussi peut faire le mandat dans le cadre donc de, la conduite de, son dossier d'instruction. Il y a aussi le juge d'instance. Lui, quel est son rôle Le juge d'instance, en fait, c'est une sorte de démembrement là où il n'y a pas donc des là où il a pas le tribunal de grande instance, parce que mhm. nos tribunaux de grande instance sont aussi donc des chefs-lieux de, régions. région. Donc, au niveau des départements, il y a ce qu'on appelle les tribunaux d'instance, où il y a un président et qui joue le rôle de président de tribunal et en même temps qui joue aussi le rôle de procureur. Maintenant, le juge d'instance, lui, joue le rôle de juge d'instruction. Donc, tous les dossiers où, effectivement, ne peut pas juger, où on estime qu'il faut faire des investigations complémentaires. Mm. Donc, on les envoie au cabinet du juge d'instruction pour qu'il continue à faire ces investigations. Mais le président, il, garde sa casquette, sa double casquette de juge de, président du tribunal, juge de siège, et des casquettes de procureur. Et cela a été critiqué, effectivement, parce qu'il y a la séparation des fonctions. Mais aux dernières affectations, quand même, le Niger a fait un petit pas. On a eu à, nommer des procureurs délégués au niveau de certaines localités où on estime que le contentieux est important. Que bon, il y a un président tribunal, on a nommé des procureurs délégués aux dernières affectations. c'est déjà une avancée parce que bon, avec la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire, on a euh, pensé que c'est nécessaire parce que c'est un plus pour la protection des droits de l'homme. Vous avez également parlé du juge euh, des mineurs, le juge des enfants. Lui, c'est quoi ses prérogatives Oui, effectivement. Donc euh, là aussi, ça, ça fait suite donc, donc à la réforme du Niger depuis 1999 là, où le Niger a eu à prendre quand même une loi spécifique mhm. sur, euh, pour mieux protéger les enfants, voyez-vous Parce que avant, quand les enfants commettaient donc des infractions avec des majeurs, c'est le même juge qui, les juge, mhm. voyez-vous Le juge d'instruction ou AFD maintenant, à partir donc de 1999. Déjà, il y a une ordonnance qui a été prise sur les juridictions des mineurs. On a créé des tribunaux des mineurs spécialement donc chargés de connaître des infractions commises par les mineurs. Donc, le juge des mineurs, d'abord, il doit investiguer si euh, l'infraction reprochée donc au c'est un délit. Donc c'est lui le juge qui a instruit, qui va juger donc le juge des mineurs en matricule. Maintenant, si c'est un crime que le mineur a eu à commettre, justement, là, il y a ce qu'on appelle le tribunal des mineurs où le, la loi dit que le juge de mineurs doit faire partie. Voyez-vous, ça c'est depuis donc la, loi de 99. Euh, maintenant, en 2012, je crois, il y eu, on a encore euh, retouché cette loi sur la gestion des mineurs pour donc encore renforcer le pouvoir donc du juge de mineurs. Donc euh, c'est ça, c'est pour mieux protéger parce que la loi dit quand même qu'un mineur, on ne peut pas l'interroger seul par exemple. Il faut forcément donc la présence d'un avocat, voyez-vous, et il faut prendre aussi des mesures de protection parce que Là aussi, la détention n'est que l'ultime solution. le, juge peut-être doit prendre des mesures de protection, confier le mineur donc à, sa famille ou à une institution caritative ou à une bonne volonté. Tout ça pour éviter qu'effectivement les enfants ne tombent donc dans la délinquance. Donc le juge de mineur, c'est vraiment un spécial des questions de mineurs parce doit d'abord travailler avec les services sociaux pour faire des enquêtes donc euh, sociales au niveau de l'entourage du mineur, de sa famille, pour voir dans quelles conditions l'enfant a grandi et prendre des mesures en conséquence de protection. Parce que le juge, il a des euh, compétences pénales, en même temps de compétences de protection. Mm. Si, par exemple, vous, trouvez un enfant dans la rue, même si l'enfant n'a pas commis une infraction, si vous estimez que cet enfant mérite de protection, vous pouvez saisir le juge de mineur pour qu'il puisse prendre ce qu'on appelle l'ordre de placement pour le protéger, peut-être le mettre donc au niveau d'une institution de, de, protection de l'enfance, voyez-vous. Donc, c'est ça le rôle du juge de mineurs. Ça veut dire que c'est un juge qui défend beaucoup plus euh, les intérêts des enfants. Oui, c'est ça sa spécialité, voilà. Mm. Parlons à présent donc euh, de ce rapport existant entre les magistrats et les forces de l'ordre dans le cadre de l'accomplissement des missions rogatoires, euh, par exemple. Et quel est ce rapport, monsieur le juge En fait, il s'agit de rapports intimement liés parce que c'est des missions complémentaires, voyez-vous, parce que les officiers police judiciaire, quand même, sont des auxiliaires directs, donc des, magistrats, voyez-vous. Donc, euh, par exemple, c'est. et qui font les enquêtes préliminaires. Donc, euh, ils font les PV, ils transmettent donc au niveau du, procureur et aussi le juge d'instruction peut donc faire de ce qu'on appelle les commissions rogatoires. Si le, là où le juge d'instruction ne peut pas aller, il peut faire une commission rogatoire pour que euh, la police ou la gendarmerie puissent continuer donc les enquêtes. Voyez-vous Donc vraiment, c'est travail de collaboration. Voyez-vous Donc c'est ça aussi. Parce que si vous voyez les statuts donc de, la, de ces forces militaires, là, vous allez voir que leur rôle principal, c'est de participer à la bonne application de la loi. Et la loi, justement, c'est les juges qui, qui veillent sur ça, sur la bonne application de la loi, avec l'appui de la force publique. Donc, c'est vraiment travail de collaboration euh, très, très, très étroit qui se passe entre donc, les juges et les, forces de, de, l'ordre. Nous voyons bien que lorsqu'il y a par exemple garde à vue, c'est-à-dire lorsque l'affaire est au niveau des forces de l'ordre, il y a un délai bien précis qu'il faut respecter et que le citoyen doit être euh, vite placé à la disposition de la justice où il doit rencontrer un juge. Le délai, c'est combien de temps pour la garde à vue Mais la garde à vue, c'est 48 heures renouvelable une seule fois. Donc pour les affaires Ça simples. Ça veut dire 4 jours. Voilà, pas plus. Mhm. Si vous, n'avez pas fini votre enquête, ou vous libérez la personne, vous pouvez continuer les investigations, ou vous déférez la personne au niveau du, du, parquet. Mhm. Là, ils vont saisir le juge d'instruction qui peut décerner un mandat. Voyez-vous Mais il faut dire quand même que ce délai-là, c'est pour les infractions ordinaires. Par exemple, maintenant, avec la loi sur le terrorisme, donc c'est un délai plus court, vu donc la spécificité de l'infraction terroriste. Là, c'est de, je crois, 15 jours, renouvelable <laughs> aussi une fois. Voilà, un délai de garde de 15 jours pour les affaires terroristes. Mm. c'est mais ça, c'est une exception. Hein. C'est une exception, vous mm-hmm. donc c'est ça aussi. Parlons à présent du rapport existant entre le pouvoir incarné par les magistrats et les autres pouvoirs de la République, le pouvoir législatif, mais aussi le pouvoir euh, exécutif. Quel rapport entretenez-vous avec ces deux pouvoirs Bon, en réalité, ça, il faut partir du principe constitutionnel qui consacre quand même la séparation de pouvoirs. Parce que contrairement à certaines constitutions, la justice, c'est un pouvoir d'État au même titre que le pouvoir exécutif le pouvoir législatif. Ce n'est pas une autorité judiciaire comme dans certains pays, mm. c'est un pouvoir d'État à part. Donc la Constitution a consacré la séparation des pouvoirs, mais la séparation des pouvoirs ne veut pas dire qu'il n'y a pas de collaboration. Voyez-vous, parce que la justice quand même indépendante, donc de par la Constitution, mais c'est moi, c'est l'exécutif qui le donne. Et c'est le, statut qui légifère. Toutes les lois que la Suisse est appelée, les acteurs de la justice ont appliqué, c'est le, Parlement qui, qui, Voilà, et, tous les autres textes. Voyez-vous, donc c'est le Parlement. Donc c'est vraiment travail aussi de collaboration. Mais les grands principes restent que chacun doit rester dans sa sphère. Voyez-vous Donc, pas d'impiétement L'indépendance de la magistrature est consacrée. Donc, tout le travail doit se faire dans le respect de ce principe-là. <laughs> voilà. Qu'est-ce qui fait alors euh, l'indépendance de la justice euh? Nous voyons à ce niveau le procureur de la République euh, qui est au niveau du ministère public. À ce niveau, est-ce qu'il y a un rapport avec l'exécutif à ce niveau Oui, là aussi, c'est vraiment notre tradition juridique contrairement à certains pays, ici, il y a euh, le, on appelle ça, le procureur qui rend compte donc au ministre de la Justice, que le président de l'exécutif, donc la subordination hiérarchique. Ça aussi, ça, c'est notre constitution qui, le dit aussi. Mm. Voyez-vous, donc ça aussi, on a hérité <laughs> de la France. Le, procureur rend compte au, ministre de la Justice, qui est membre du gouvernement de l'exécutif, voyez-vous. Donc, il y a une dépendance, parce que par exemple, la nomination du procureur ne passe pas, par exemple, par, au Conseil supérieur de la magistrature. C'est le ministre qui propose, qui le veut. Voilà, on, nomme. Il rencontre. Donc, voilà. Donc, ça, c'est aussi un principe consacré. Et c'est le procureur qui poursuit. Oui, c'est le procureur qui poursuit, voilà. Parce que par la loi, c'est celui qui poursuit. Nous avons également le magistrat assis, c'est-à-dire le juge qui bénéficie à ce niveau du principe d'inamovibilité. Je pense à ce niveau que expliquez-nous cela. Oui, la Constitution dit que le juge, de magistrats sont indépendants de, de fonction. Mhm. Que le juge du siège est inamovible. Ça veut dire qu'on ne peut pas le bouger sans son consentement. La loi dit que même si c'est une promotion, s'il n'est pas d'accord, mhm. on ne doit pas donc le, bouger. Mais bon, dans nos pays, quand même, souvent, il y a des problèmes d'effectifs. On dit, mais en cas de <laughs> nécessité de service, on vous affecte. Donc, c'est le, grand débat partout, pas seulement au Niger que, bon, souvent, les acteurs estiment que ce principe d'immobilité est bâti en brèche parce que, bon, on assiste souvent à des affectations chaque fois. Est-ce que ce principe est acceptable Ça, c'est un débat qui n'est pas propre au Niger, voyez-vous. Mais de par les textes, euh, il est inamovible. Ça veut dire que s'il ne veut pas bouger, on doit le laisser sur place. Ça veut dire que si un magistrat assis rend une décision de justice, on ne peut pas l'affecter à cause de cette décision. de Non, on ne peut pas, surtout pas, surtout pas, tant qu'il a respecté la loi. Voyez-vous Parce que si il a commis quelque chose de grave. Ça, c'est d'autres instants, on peut le poursuivre. Hein. Voyez-vous, ça, c'est autre chose. Mais quand vous rendez correctement, euh, vous faites correctement votre travail, il n'y a pas de raison à ce que, puisque vous affectez comme. Maintenant, bon, comme on dit, effectivement, s'il y a des nécessités de services, souvent, souvent il y a des promotions, bon, on peut. Euh, on, peut euh, affecter les gens, voyez-vous, mais c'est pas lié effectivement aux fonctions que vous exercez au travail, que vous accomplissez, sauf si effectivement vous avez eu à commettre des infractions. Ça, c'est autre chose. Et cela qui fait l'indépendance de la justice, euh, puisque le procureur ne bénéficie pas de ce principe d'inamovibilité. Bon, l'indépendance, euh, c'est beaucoup de choses. D'abord, les textes. Voyez-vous on a consacré l'inamovibilité, on a consacré l'indépendance. Il y a aussi le comportement du juge, parce que l'indépendance, c'est d'abord un état d'esprit. Voyez-vous c'est quand on veut être indépendant qu'on le devienne. Si on ne veut pas être indépendant, on ne le saura jamais. Voyez-vous Donc, c'est comme ça. Donc, les textes sont, bien. Donc, la loi <laughs> aussi est là. Maintenant, il appartient à chacun de jouer son rôle, d'être indépendant. Voyez-vous ça, ça, ça, dépend de, tout un chacun, quoi. Quels sont les magistrats qui bénéficient du principe d'inamovibilité consacré par la Constitution En fait, tous les magistrats du siège bénéficient de, ce principe-là. C'est-à-dire celles qui rendent la justice. la magistrature qui au, la voilà, tous ceux qui ne mhm. sont pas des procureurs, donc ils doivent bénéficier de, ce principe de la mobilité-là. Voyez-vous Donc c'est ça. Parce que c'est le corollaire justement de, l'indépendance. La Constitution dit que même lorsqu'il faut les affecter, il faut l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. Oui, absolument. Parce que le Conseil supérieur de la magistrature, donc c'est l'instance qui gère la carrière des magistrats. Donc euh, voilà, tout ce qui est promotion, nomination, ça doit d'abord passer par le moule du Conseil supérieur de la magistrature avant que le président, que le président du Conseil supérieur de la magistrature puisse prendre le décret pour justement les affecter. Donc, contrairement au magistrat du parquet, où, bon, sur simple, c'est la proposition du ministre qui soumet au président, il signe. Voyez-vous, donc c'est ça. Donc, conseil magistrat voilà, forcément, il bénéficie de ce bah, bah, principe. Voilà, c'est le, le Conseil supérieur de la magistrature qui veille sur ça. C'est l'instance créée pour garantir donc l'indépendance de, la magistrature. C'est ça. Comment peut-on se rendre compte euh, de l'absence euh, de l'indépendance euh, de la justice Bon, ça c'est c'est au cas par cas. Voyez-vous, on ne peut pas savoir d'emblée si le juge est indépendant ou l'est pas. C'est peut-être celui estime qu'il a, des raisons de croire que ce juge-là n'est pas indépendant, qui peut dire, mais aucun juge ne va dire que je ne suis pas indépendant. Voyez-vous Si il n'est pas indépendant, peut-être que ou il a été corrompu, ou bien il sert quelqu'un, ou en tout cas c'est un état d'esprit, voyez-vous. Mais les textes sont clairs, les textes sont, sont là pour protéger l'indépendance de, de, de, la justice. Mais c'est un état d'esprit, c'est quand on veut être indépendant qu'on le devienne, voyez-vous. Donc a priori, on ne peut pas dire que un tel n'est pas indépendant a priori. Mm. Maintenant, c'est bon. Dans la pratique, bon, ça c'est autre chose. Chacun essaie de voir si euh, effectivement vous estimez que celui-là n'est pas indépendant, mais que vous, avez les éléments. Mais a priori, on ne peut pas le savoir. C'est ça. Dans toute euh, décision de justice, on parle euh, de motivation d'ailleurs à ce niveau. Mm. Que signifie la motivation d'une décision de justice ça. Donc, pour les magistrats C'est le corollaire de l'indépendance parce que ce qui protège le justement, c'est la qualité de sa décision. Parce que c'est trop facile de dire que bon, j'ai tranché entre deux parties. Mais il faut que la loi vous oblige à dire vous, quels sont les éléments de fait et de droit qui motivent votre décision. Ça veut dire bon, voilà les faits. Moi, je les ai appréciés. Voilà ce que la loi dit. Et j'estime que ces faits-là tombent sous le coup de cette prescription légale. Par conséquent, je tire la conséquence que ou vous êtes coupable de cette infraction, ou bien par exemple, s'il s'agit d'une affaire civile, c'est l'autre qui a raison, vous, vous n'avez pas raison. Donc la loi me fait obligation de motiver donc euh, ma décision en fait et en droit. Il faut donc ce qu'on appelle une interpénétration entre les faits et le droit, qu'il y ait une cohérence. Mhm. La loi a prévu ça, que telle euh, chose, quand ça se présente, voilà ce que ça vaut. Les faits là s'analyse en à telle prescription légale. Donc voilà, c'est l'obligation faite au juge de justifier la décision, tout simplement. Il arrive euh, que des avocats ou des citoyens dénoncent des procureurs aux ordres, mhm. entre guillemets, ou des juges aux ordres, alors que ces critiques sont souvent considérées comme étant un jeu de discrédit sur la justice et dans certaines conditions passibles de sanctions pénales. Dans quel euh, moyen dispose, euh, de quels moyens dispose le citoyen quand il se retrouve dans des pareils il faut d'abord dire que la justice est rendue au nom du peuple. Hmm. Voyez-vous Donc, si effectivement vous estimez que vous êtes victime d'un abus de pouvoir ou un abus de droit, la loi vous donne le pouvoir justement de porter plainte. Si c'est contre le procureur ou c'est contre euh, quelqu'un d'autre qui est détenteur du pouvoir d'État, n'a pas le droit d'aller au-delà de ce que la loi l'autorise, voyez-vous. Mais effectivement, la loi aussi dit que les décisions de justice mm-hmm. doivent, être critiquées dans les formes légales. Mm-hmm. Si vous estimez que la décision rendue ne vous donne pas satisfaction, ben, il y a la voie de l'appel. Vous interjetez appel. Il y a d'autres juges encore en appel qui vont apprécier. Il y a aussi la voie de la cassation. Tout ça, justement, pour un peu garantir donc euh, une bonne justice aux citoyens. Mais a priori, ne peut pas dire que parce que vous avez perdu en première instance que le juge aux ordres. Non. Il faut d'abord exercer ce qu'on appelle le voie de recours. Mais ça ne vous empêche pas que, effectivement, si vous estimez que c'est euh, le juge là a été corrompu ou autre, aussi de faire engager de poursuivre contre lui. De poursuivre le juge. De poursuivre le juge. Le juge est d'abord un citoyen. Il est d'abord un citoyen. Mais il faut quand même suivre les voies légales. Si c'est seulement la décision qui ne vous satisfasse pas, mais faites appel, après vous pouvez aller jusqu'en cassation. Donc c'est ça. Mais chacun doit respecter la loi. Et le juge et tout le monde. Parce que c'est la loi qui protège, parce que c'est l'expression de la volonté générale. Vous l'avez dit, la justice est rendue sur le territoire national au nom du peuple. C'est ce que dit l'article 117 de la Constitution du 25 novembre 2010. Comment expliquer alors le fait que le peuple a parfois des doutes euh, justement sur la justice Bon, souvent, en fait, c'est même, je crois que c'est une méconnaissance des mécanismes de la justice. Les gens ne savent pas comment fonctionne la justice. Même les, les intellectuels à intergriffe, si vous n'êtes pas juriste, c'est difficile, les gens ne comprennent pas parce qu'effectivement, c'est compliqué, c'est comme ça, nos règles de procédure. vous souvent, c'est pas simple ignorance parce qu'on ne connaît pas le rôle de chacun au niveau de la justice. Ce qui fait que souvent, les gens ils critiquent la justice de loin. Parce que souvent, si vous entendez quelqu'un critiquer la justice, vous vous posez la question est-ce que vous, vous êtes partir rencontrer un juge, est-ce que vous avez été victime de ce que vous avez dit La personne va vous dire que non, on m'a rapporté. Donc souvent, souvent c'est des mauvais perdants qui donnent de, qui font des faux procès à la justice. Voyez-vous Mais la plupart de cela s'explique. Nous, on comprend parce que les gens, souvent, ils ne connaissent pas les, procédures. Donc, on n'est pas vraiment dans une société où le droit est bien connu. Bah, c'est ça justement le rôle des organisations de défense des droits de l'homme, les partis, tout le monde doit concourir pour que effectivement les gens puissent comprendre comment la justice fonctionne. Voyez-vous bah, Parce que pour un justiciable lambda, lui, procureur, juge d'instruction, juge de jugement, petit, pour eux, c'est tous des magistrats, alors qu'ils n'ont pas le, même rôle. Voyez-vous mm. bah, Et greffiers, et les avocats, les juges Donc il faut comprendre comment la justice fonctionne pour pouvoir d'abord la critiquer. Mais souvent, c'est de loin les gens critiquent la justice sans comprendre comment ça fonctionne c'est bah, vous, ce que je vous dis souvent, vous perdez en première instance, vous pouvez gagner en appel et vous partez en cassation, on casse ça, on revient. Tout ça vraiment pour permettre d'éviter, parce qu'il peut y avoir des erreurs, souvent on peut se tromper de, de bonne foi. C'est une question d'appréciation pour certains faits. Chacun apprécie de sa manière, parce que c'est une science sociale. Vous interprétez, c'est votre vision, pouvez vous, vous tromper, d'autres juges peuvent voir ça autrement. Donc c'est ça le jeu, c'est comme ça. Au lieu de jeter l'anathème sur l'institution judiciaire, vous essayer de comprendre et d'exercer votre droit de recul. Là, tout le monde est effectivement euh, quitte on a l'impression qu'il y a une peur qui anime certains citoyens quand ils vous voient habillés. <laughs> Bon, ça c'est le juge. <laughs> ça c'est la survivance donc du fait colonial que les gens s'habillent en noir C'est pourquoi justement dans certains pays, ils ont carrément renoncé à cette toge noire qui donne l'impression que bon, il y a un mur entre le, juge et la société. En réalité, le juge est là pour la société. On n'a pas à avoir peur du juge. Le juge n'est pas là pour lui-même. Il est là pour la société, vous il est issu de cette société, il juge pour euh, la société. Parce que très souvent, si on te voit à la justice, les gens c'est comme si on te voit à la gendarmerie ou à l'hôpital, on dit qu'est-ce qui t'arrive Alors qu'à la justice, c'est pas seulement la prison, il y a beaucoup de choses. Hein, on vous délivre des actes de naissance, des certificats de nationalité. Si vous avez des problèmes civils, le juge tranche entre vous et votre voisin, entre vous et votre épouse. Problème de créance, tout la justice, c'est pas seulement la prison l'aspect correctionnel, ce n'est qu'un qu pan, ce n'est qu'une partie du travail de la justice, voyez-vous. Donc, euh, c'est euh, le juge et le régulateur social. Si les citoyens ont des problèmes entre eux, parce que pour éviter donc euh, la justice privée, donc on a institué les sujets judiciaires pour départager les gens. Tout simplement, ça le, rôle du juge. Mais bon, dans nos sociétés, comme c'est la justice survivante de la justice coloniale, bon, le citoyen se voit loin de la justice, alors que c'est sa, justice. Voyez-vous Souvent, bon, peut-être qu'au niveau de la Suisse même, on ne fait pas l'effort pour que la Suisse soit plus visible. Il y a des gens qui pensent que c'est des lieux pour les habitués et que si tu n'es jamais habitué à l'endroit, c'est que non, il n'y a pas les pauvres. Oui, ça c'est la perception négative. Arrêtez, réalité, c'est pas ça. Hmm. Vous, parce que le juge, quand même, si vous partez, on va vous conduire. C'est pourquoi, justement, à ce moment, on a incité même ce qu'on appelle les, les, trucs de direction, là. Pour, on a créé des bureaux d'accueil pour diriger les citoyens. Parce que c'est d'abord la, la, Suisse du peuple. Voyez-vous mm. Donc, on n'a pas à avoir peur de la justice. Voyez-vous Donc, pour éviter que les gens ne se rendent justice, ils doivent aller vers la justice parce que c'est la justice qui garante donc des libertés publiques. Monsieur le juge, quel peut être l'apport du magistrat dans le renforcement de l'état de droit et le respect de la jouissance des libertés de chaque citoyen Oui, merci. Donc, de par la Constitution même, la justice est effectivement l'institution qui garantit les libertés publiques. C'est le mhm. garant des libertés publiques. Donc le premier défenseur des droits humains dans un pays, c'est d'abord la justice, parce que c'est elle qui doit veiller à la bonne application de la loi. On dit que c'est le rempart même Voilà, contre l'arbitraire, mm vous, parce que c'est ça. Donc le premier défenseur des droits de, de l'homme, c'est la justice. Donc c'est pourquoi il faut faire recours à la justice au lieu donc de se faire justice. Donc le du juge est fondamental dans une société, voyez-vous, donc c'est ce qu'on peut dire. Mm-hmm. Tous les citoyens, y compris les décideurs, sont-ils donc réellement égaux devant la justice, comme on le dit souvent Oui. Au niveau de la justice, les citoyens sont des citoyens. Hum. Mais ça n'empêche pas que la loi, souvent en fonction donc des, fonctions exercées, qui est des modalités différentes de poursuite. Par exemple, les magistrats ou les officiers de police judiciaire, ils bénéficient de ce qu'on appelle le privilèges de juridiction. Ça veut dire que si vous commettez une infraction, on ne peut pas vous juger dans le ressort où vous travaillez. Donc il y a un mécanisme, il faut saisir donc la, par exemple la Cour de cassation pour désigner donc une, euh, un juge d'instruction qui va enquêter, mais qui n'est pas du ressort où vous avez euh, commis votre infraction. La même chose, par exemple, que les, ministres qui ont euh, donc quand ils commettent des infractions de la fonction, c'est donc la haute cour de justice. ça c'est la loi qui a mhm. prévu ça. Mais sinon, de par la Constitution, euh, les citoyens égaux, effectivement, devant la loi et aussi devant la justice. Voilà. Justement, on remarque d'ailleurs qu'en dehors des tribunaux et cours ordinaires, les magistrats sont sous-représentés dans certaines institutions, comme la Cour constitutionnelle, qui ne compte que deux magistrats sur les sept membres, ou la Haute Cour euh, de justice, euh, dont vous venez de parler, composée de quatre députés et de trois magistrats ou encore le tribunal de commerce qui n'a que quelques spécialistes du droit. Comment expliquer cela Bon, ça c'est un choix propre à chaque pays, voyez-vous. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, si vous prenez par exemple la Cour constitutionnelle, donc c'est la Constitution qui a prévu ça et la Constitution a défini ceux qui seront membres. Donc, une fois là-bas, ils sont tous des juges, ils sont considérés comme des juges. Donc, il n'y a pas à dire que les juges sont sous-représentés. C'est un choix donc, du Niger donc on doit le respecter. Voyez-vous la même chose euh, pour... Ça se fait dans beaucoup de pays d'ailleurs. Dans beaucoup de pays, voilà. Donc c'est une option. Parce mm-hmm. dans certains pays, n'ont pas le cours constitutionnel, par exemple. Mm-hmm. Voyez-vous, donc avant, même ici, avant c'était la Cour suprême avec plusieurs chambres. Mm-hmm. Voyez-vous, donc chaque pays, en fonction de son évolution politique, fait des choix. Voyez-vous, mais pour par exemple le cas du tribunal du commerce, là, il faut comprendre que de par notre organisation judiciaire, le tribunal du commerce, c'est comme le tribunal euh, administratif ou le tribunal euh, du travail, mhm. où la loi dit qu'il est créé un tribunal du commerce auprès de chaque tribunal de grande instance. C'est en quelque sorte les anciennes chambres. Même maintenant, c'est à titre expérimental qu'on a installé le tribunal du commerce de Niamey. Maintenant, les autres, peut-être qu'avec le temps, on va aussi les installer. Donc, eux, effectivement, il y a des magistrats professionnels et des, juges consulaires, donc les, mhm. opérateurs économiques, parce qu'on estime que dans le monde des affaires, ça, doit donc aller très vite. Donc il faut des spécialistes qui connaissent donc la matière commerciale. Donc il faut euh, à ces, personnes-là, donc des juges professionnels, pour qu'on puisse les, juger les affaires comme ça rapidement. Donc c'est ça. Là aussi, on ne peut pas parler donc de sous-représentation. C'est juste une spécialisation. Voilà, c'est aussi une option. vous C'est ce qu'on peut dire quelle est la fonction des magistrats au niveau de ces institutions Est-ce qu'elles ont les mêmes fonctions qu'au niveau, par exemple, d'un tribunal ou d'une cour d'appel Oui, c'est la même chose. Par exemple, si vous prenez au niveau donc du tribunal du commerce, donc c'est la matière commerciale avec le droit au ils vont vous soumettez votre litige, par exemple, c'est un problème de vente commerciale ou de transport. Donc le juge va appliquer son code maintenant avec l'assistance donc des autres juges consulaires qui connaissent mieux la matière. Donc, il n'y a pas de distinction. Maintenant, si vous n'êtes pas satisfait de la décision rendue, vous pouvez effectivement interjeter appel au niveau de la Cour d'appel. Donc, il y a effectivement la Chambre commerciale qui connaît de ça en appel. Et maintenant, après, vous pouvez faire euh, ce qu'on appelle le pourvoi en cassation devant la CCJ à Abidjan, qui est la juridiction communautaire en matière de droit des affaires. Vous l'avez abordé, on dit dans l'article 117, la justice est rendue sur le territoire national au nom du peuple et dans le respect strict de la règle de droit. Que signifie la règle de droit La règle de droit, c'est la loi, tout simplement. Mhm. Voyez-vous Donc, euh, la loi dans le sens le plus large. Parce que les, textes sont là, la Constitution d'abord, les, les lois organiques, les lois ordinaires et tous les autres textes. Donc, parce que chaque euh, litige a sa particularité. Mm-hmm. Vous avez un problème avec votre bailleur. Le juge va vous appliquer justement la loi sur le bail. Mm-hmm. De l'autre côté, vous avez un problème avec votre employeur. Il va vous appliquer donc devant le, tribunal du, travail, vous appliquez donc les règles du droit social, du droit du travail. Donc c'est ça la règle de droit, ça veut dire la loi. En fonction de votre de votre cas, on vous applique votre droit. Ça veut dire que le juge doit faire preuve d'indépendance pour appliquer la loi en appréciant justement donc les faits que vous lui avez soumis. Il arrive euh, qu'on fasse recours euh, pour euh, des décisions urgentes, urgentes à celui qu'on appelle le juge des référés. Oui. Qu'est-ce que c'est Oui, le juge des référés, justement, c'est le juge qu'on peut saisir en cas de situation d'urgence. S'il y a une situation d'urgence où vous n'avez pas de solution, donc vous pouvez recourir devant le... C'est le juge de, référés, référé. C'est d'abord au niveau du tribunal, le président du tribunal pouvez les saisir pour que vous prendre des mesures conservatoires en attendant qu'une décision soit prise. Mm. Et au niveau de la Cour d'appel aussi, donc, euh, il y a le, président de, la Cour. Donc, c'est pour prendre des mesures conservatoires pour éviter souvent certaines, un péril imminent qui se présente. Euh, voilà, donc c'est ça son rôle. C'est le juge de l'urgence, comme on dit. Monsieur le juge, euh, vous êtes euh, actuellement conseiller à la Cour d'appel, c'est-à-dire euh, juge au niveau de la Cour d'appel. Vous avez été secrétaire général du SAMAN. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire afin que les citoyens puissent avoir une meilleure accessibilité à la justice et puissent beaucoup plus avoir confiance à la justice qui est rendue au nom du peuple tel que stipulé par la Constitution bon, D'abord, les citoyens ils doivent se dire que c'est leur justice. Hum. Et on doit faire confiance à cette justice-là et essayer d'appuyer les juges, au lieu de passer le temps à les vilipender, on doit les soutenir. Parce que c'est les juges. Justement, en essayant donc de faire en sorte qu'ils puissent faire leur travail en toute mm. indépendance. Mm. Parce que c'est ça qui arrange tout le monde. Tout le monde a intérêt que justement la Suisse soit indépendante, voyez-vous, parce que c'est ça le sens de la démocratie, de l'état de droit. Mm. Voyez-vous, ça protège tout le monde. La Suisse est le dernier rempart contre l'arbitraire. Donc on doit essayer de comprendre comment fonctionne donc notre justice euh, quels sont les moyens qui lui sont donnés pour que les acteurs puissent accomplir leur mission. Donc vraiment, c'est un soutien que la justice a besoin de la part donc des citoyens parce que c'est d'abord leur justice. Votre appel pour terminer On appelle effectivement que, euh, de, que la justice est un pouvoir d'État et c'est un pouvoir essentiel dans une démocratie. On doit appuyer la justice, on doit la supporter. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci à vous. C'est la fin de ce forum du studio Kalangou dans lequel nous avons abordé aujourd'hui fonctionnement de la justice au Niger, rôle du magistrat, ses rapports avec les citoyens et les autres pouvoirs. Nous retenons que la Constitution dit clairement que la justice est rendue sur l'ensemble du territoire euh, national au nom du peuple. Les citoyens donc euh, doivent avoir confiance à leur justice. La justice euh, est rendue par des magistrats debout, mais aussi des magistrats assis. Les magistrats debout, c'est au niveau du ministère public, c'est-à-dire le procureur et les personnes qui travaillent avec lui. Nous avons les magistrats assis à ce niveau. C'est le juge qui rend la décision de justice et c'est lui qui est inamovible, c'est-à-dire c'est lui qui ne peut pas être affecté il bénéficie donc du principe d'inamovibilité. Lorsqu'il y a des décisions à prendre, il faut faire recours au Conseil supérieur de la magistrature. C'est cela, monsieur le juge. Merci donc à vous, monsieur le magistrat, de nous avoir euh, suivis. C'était à la présentation Michel Deschis. Merci, chers auditeurs, à vous également. Rendez-vous demain pour un autre numéro du forum du studio Kalangu à la même heure avec Morta Amadou qui reçoit les acteurs de l'école nigérienne sur la rentrée scolaire 2018-2019. Passez une excellente soirée et au revoir.